Bonjour, monsieur le principal, euh, monsieur le président de l'APE, euh, monsieur le chef d'établissement représenté, chers amis, collègues, professeurs, monsieur le président du gouvernement scolaire du SEMBOR 2, chers invités, maîtres, chers élèves, vous savez, comme l'a dit M. le maire, la Diakhaté, je suis également submergé d'émotions, étreint par l'émotion que vous connaissez bien parce que lorsque les élèves avaient fait une délégation pour venir me voir, me dire que je, ferais, je faisais partie des parrains, j'étais un peu surpris. J'étais surpris parce que je me disais que moi, les élèves me voyaient plus comme un collègue, comme un professeur du euh, mais peut-être comme un acteur de développement, un politicien, voilà. Et j'ai accepté peut-être pour deux choses. La première, la délégation vraiment était très forte. Elle étaient venues parce que c'était uniquement composé de filles. je suis chez moi à Guigui pour me remettre la demande. J'ai considéré qu'elle ne devrait pas faire tous ces efforts-là pour rentrer lui. C'est pourquoi j'ai vraiment accédé à leur demande. Mais l'autre raison fondamentalement, c'était pour moi aussi d'avoir une occasion, une tribune, de rendre hommage à une personne qui m'est très, très, très chère. Cette personne, vous le savez, chers élèves, elle a fait énormément de choses, pas uniquement pour moi, mais également pour vous. Euh, c'est très difficile certainement pour elle de subir cet exercice auquel je suis en train de me prêter. Mais les collègues qui sont ici, monsieur le principal qui est là, les membres également du personnel qui sont là, savent pertinemment que je ne devrais pas louper cette occasion pour la remercier pour tout ce qu'elle a fait, pas pour moi, mais pour l'école. C'est une ancienne élève du SEM, c'était la première promo by Ablay. Euh, ils ont, eu le bac l'année passée, donc la deuxième promo va subir le bac, Inch'Allah, cette année. Cette personne-là, elle s'appelle Koudjo Je voudrais vraiment des applaudissements nourris pour Koudja. Est-ce qu'elle peut se lever Merci beaucoup, Koudja. Euh, merci beaucoup. Je la remercie parce que depuis l'ouverture de la classe, des classes plutôt, c'est elle qui assurait l'essentiel des tâches qui m'étaient vraiment dévolues et que je n'étais peut-être censé être là pour suivre avec elle ce qu'on devrait vraiment faire avec les élèves. Et ce sont les élèves eux-mêmes qui m'ont dit que nous préférons faire cours avec mademoiselle Fidja qu'avec vous. Donc je voudrais vraiment la remercier. Le principal, par moment, il ne pouvait pas comprendre que je puisse accepter qu'elle élève souvent fasse cours à ma place. Mais je vous assure que son niveau en anglais est au top. Pape Mohamed Diop, qui est là, que j'ai oublié de citer parmi les personnes qui sont invitées, le sait pertinemment. Elle a un très bon niveau en anglais et c'est surtout grâce aux collègues qui l'ont eu ici dans cet établissement. Je vais nommer les Mouchambay, les Mouchembora et autres. Elle fait la fierté de l'établissement. Après avoir fait ses premiers pas ici au SEM, elle est allée au lycée et elle faisait partie des meilleurs. Donc je peux dire avec toute modestie que le SEM de également a présenté au lycée TBC Moro ses meilleurs élèves. Donc je remercie beaucoup qui taxawaay bi ti courent les léeg-léeg nga ne ma je le faire et Machallah. Mais le cours que je vais bien faire avec elle, avec mes élèves, c'est le listening. Madame a un très bon accent en anglais. Son accent en anglais est beaucoup mieux que le mien. Quand elle, quand elle parle anglais, c'est fait que Gisoko, elle speaker, moi en anglais, Machallah. Donc, gâtez galam. Elle va, elle, va, elle va faire quelques mots certainement si vous le voulez bien. parce que en anglais surtout parce que dañu ne ñaari cours moo ci am solo maanaam cours boo xamante ni di koy def dafa nàmp làkk bi su ko defee élèves yi di tàmm dégg sax ab américain wala anglais buy wax ñu mën koo dégg beneen bi mooy comme ñi nga xamante ne ay native speaker donc euh, second language learners lañu second language teachers lañu maanaam dañuy nekk ñuy jàngale deuxième langue pas seen langue locale sans seen langue maternelle

ba mu demee ba léegi je suis en train de souffrir parce que li ma doon bokk moom laay def man kese dafay tàmbale loo xamante ne xamal naa ne mënut a wéy donc vraiment kàddu yi rek la ñu bëggoon yëkkati di am mbégte loolu vraiment ci choix bi nga xamante ne boole nañu ci daan ñuy def si seen ay parrain journée mu nekk lu ñu neex lool. Euh, pour peut-être accompagner école bi ñu xalaatoon ni xëy na bu ñu jëloon benn bon tonne ciment teg ko si loxo gouvernement scolaire mu teg ko ci loxo lu principal du ñak euh, mbébét bi ñu am fii ci établissement bi muy créé fii benn bibliothèque mën na ko gën a baral donc euh, c'est la modeste contribution qu'on voudrait vraiment apporter di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan kujja mu ñëw élèves yi nee na nga ñëw di yëkkati quelques cadeaux et en anglais s'il vous plaît please ladies and gentlemen please welcome on stage Mrs. Koudia Diop authorities, dear public, dear teachers, honorable guests, I'm greeting to all of you. So knowing that most of you know me by the name of Jojo, so let me thank to Allah who gave me the opportunity to attend this uh, wonderful feast. So I am an elder student in this school, particularly the first promotion. So I'm very glad you can feel how happy and glad I am for being here next to you. So I can't end my speech without greeting all teachers who, who, who are always doing their best to make students in a good way. So mention, special mention to all teachers. You if are, give a few names, please. Mr. Bibora, he's my dad. Mr. Mbai, my friend, you are my idol. So you are my force, you are my pride. So Sambor to forever. Thank you. Thank you. Thank you.